the février 2024, il est 11h à Niamey et partout au Niger. Bonjour chers auditeurs de Niger sur Kalangou, très ravi de vous retrouver. Aujourd'hui vous êtes en compagnie de Rabia Meikano et Samira Rouafi pour la présentation. Sami, comment vas-tu ce matin Je vais très bien Rabi, j'espère que toi aussi. Je me porte bien, alhamdulillah. Alors présente-nous le programme de ce matin. Comme d'habitude, il y a le flash, la rubrique hebdo qui s'intéresse aux questions de santé et le reportage région qui nous mènera à Tawa, sans oublier évidemment le loti et l'instant sport avec Hasumi Grouza. Restez câblés, chers auditeurs. Dans quelques instants, vous suivrez l'entretien avec la juriste Madame Ramoto Ali Aboubakar sur les questions de protection de la femme à Difa. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans l'équipe technique et rédactionnelle ainsi que nos correspondants. Bonjour à vous. La technique est assurée par Seini Isaka et à l'édition Adam Adawaki. On est paré pour 60 minutes d'infos et de musique 100% nigérienne. Alors bonjour à tous. Pour commencer, nous sommes avec Nafissa Sirfo pour le flash d'information. Bonjour, Bonjour les dames, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Environ 2000 bâtonnets d'explosifs ont été saisis dimanche dernier par la patrouille mixte départementale de Boboy sur deux individus à bord de deux motos à Fabidji. Selon le journal de Sahel, les deux hommes se rendaient avec cette quantité d'explosifs à Niamey, mais un a pris la fuite. Cette importante quantité de munitions a été présentée ce lundi 26 février au gouverneur de la région de Dosso. Depuis hier 26, février, des travaux de la dixième édition des Journées des communes du Niger à Difa. Ces assises se tiendront du 26 au 28 février 2024 sous le thème Le développement économique local dans le contexte des refondations de la République. D'une part, elles permettront aux collectivités territoriales du Niger de débattre des défis auxquels sont confrontées les communes et promouvoir la gouvernance locale. D'autre part, enfin, les autorités burkinabés ont annoncé mercredi 21 février 2024 la suspension avec effet immédiat de l'autorisation d'exportation de l'or et des substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée. Selon le ministre des Mines, cette décision vise à assainir le secteur et à mieux organiser la filière, notamment la commercialisation de l'or, dont le pays est l'un des plus grands exportateurs du continent. C'est la fin de ce flash d'information. Merci bien Nafissa pour ces infos. On te retrouve à 17h pour le journal en français pour d'autres informations. Alors, quelle prise en charge pour les cas de violence basée sur le genre par la loi au Niger C'est le thème de notre entretien du jour avec Madame Ramatou Ali Boubakar. Elle est juriste et gestionnaire de cas de protection de la femme au niveau de l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire de DIFA. Pour en savoir plus, restez avec nous. Mais en attendant, Rabbi, place à la musique, la première de notre sélection du jour. Nous vous proposons le titre Santana de Boriband. sorriso na boca. bande de feu Sadobori, toujours aussi vive avec leurs chansons qui touchent les sujets sociaux et ou des peines de cœur. Comme dans ce titre Santana que nous sommes en train d'écouter qui parle d'une déception d'amour. Santana est parti, il ignore la raison. abdurrashid ya shaida ambaliya sultana babishimina ai shaida ambaliya sultana a wayi gari yau sultana ta gudu ta bar ni mai rabo ya samu marar rabo sai kallo shaida amadiya sultana maimu muta shaida amadiya sultana elegansu sun shaida amadiya sultana son juna sun shaida amadiya sultana

le titre Santana de Boribanda. Retour au studio pour notre entretien du jour. Que dit la loi nigérienne sur les cas de VGB et sa prise en charge Repense avec Madame Ramatou Ali Boubakar, elle est juriste et gestionnaire de cas de protection de la femme au niveau de l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire de Une interview que j'ai eue à réaliser par rapport à la prise en charge des cas de VBG au Niger, oui, elle est effective, mais il faut savoir d'abord que Ici au Niger, nous n'avons pas eh, une loi spécifique sur les violences basées sur le genre. C'est plutôt la loi numéro 6127 du 15 juillet 1961 portant institution du Code pénal au Niger qui traite de façon globale des différents types d'infractions qu'on peut qualifier de violences basées sur les genre. Et à cela s'ajoutent aussi quelques infractions qu'on peut qualifier euh, d'autres formes de violence euh, qui existent dans le Code civil du Niger. Quelles sont les infractions qui sont classées dans le Code pénal et dans le Code civil Pour ce qui est premièrement des infractions qui sont classées dans le Code pénal, on peut citer les coups et blessures volontaires les coups et blessures volontaires, c'est la forme de violence la plus visible. On peut la classer parmi les violences physiques et elle porte atteinte à l'intégrité physique de la personne. En dehors des coups et blessures volontaires, nous avons les mutilations génitales féminines. En plus de cela, nous avons les menaces, le détournement de mineurs, l'abandon de famille pour exode, le viol, le harcèlement sexuel, les actes impudiques sur mineurs de même sexe, le mariage forcé, les excès et sévices sexuels qu'on appelle communément le viol conjugal. Donc c'est le viol commis au sein du couple qui est légalement il y a aussi le proxénétisme et l'excitation à la débauche. Donc voici ceux qui sont en quelque sorte classés dans le code pénal du Niger. En plus de cela, nous avons d'autres formes de violence qui sont classées plutôt dans le code civil tel que le dénigrement, l'humiliation, l'expression et injure, la répudiation, le manque de respect, la dévalorisation. Donc tout ceci font partie des violences psychologiques ou émotionnelles. Selon vous, quel instrument juridique permettrait une meilleure prise en charge des cas de violence basée sur le genre. Il nous faut un code qui ne traitera uniquement que des violences basées sur les genres, de prévoir dans le code pénal un chapitre qui sera spécifiquement dédié sur la question des VBG. Et ce qui blesse même le plus, c'est que quand vous prenez la loi nigérienne, le législateur nigérien vraiment euh, au niveau des textes juridiques qui sont mis en place malgré cet arsenal va dire qu'il y a une certaine distorsion. Qu'en est-il de la répression La loi n'est pas totalement appliquée si je peux le dire. Pourquoi je dis cela Parce que aujourd'hui, dès qu'on poursuit quelqu'un pour euh, une affaire de violence, une fois à à la justice principalement pour les cas de viols on finit toujours par un arrangement entre les deux familles. Souvent à peine à instruire un dossier et chemin faisant, on constate que les gens se sont entendus entre eux. Du coup, il n'y a plus de poursuite. Et en dehors de cela, souvent, il y a eh, la pression qui pèse sur la famille de la survivante. C'était un entretien réalisé euh, au téléphone en collaboration avec Hawa Ousmane. Exactement. Nous poursuivrons notre entretien juste après pour évoquer la question de répression des violences basées sur le genre. En attendant, faisons un tour en musique avec le titre Karamota de Maman Garba. Et dans ce titre, il rend un vivant hommage aux apprentis chauffeurs. faisait partie des tout premiers membres du groupe Carnaval de Maradi, l'ancienne génération bien sûr. On voulait laisse kiffer. pas que cette chanson mérite une dédicace. <laughs> Ben oui, on la dédie à tous les apprentis chauffeurs, tous les caramotas qui nous écoutent sur cette émission en ce moment sur la route ou en pause. On vous dédie cette chanson. Voilà. Alors, euh, malgré l'arsenal juridique qui réprimande les infractions, selon Mme Ramoto Ali Aboubakar, juriste, l'application de la loi dans les cas de violence basée sur le genre est souvent partielle. C'est la deuxième partie de notre entretien. On écoute. Par rapport à la répression, la loi sur les violences basées sur le genre au Niger renvoie aux articles tels que l'article 222 à 226 du Code pénal sur les coups et blessures volontaires les CBV qui prévoient euh, un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 10 000 à 100 000 francs ou l'une de ces peines seulement. Quant au détournement de mineurs, c'est l'article 255 alinéa 1 du Code pénal prévoit un emprisonnement de 2 mois à moins de 2 ans. Donc la tentative de viol sera punie comme le délit lui-même. Donc, euh, pour dire que le détournement de mineurs, il est, même la tentative, elle est punissable et que la loi, euh, à travers le code pénal du Niger, prévoit un emprisonnement de 2 à moins de 2 ans pour euh, l'auteur qui est coupable de détournement. Et par rapport à l'abandon de famille ou de foyer, le Code pénal, euh, à travers l'article 260, prévoit un emprisonnement d'un mois à un an et d'une peine d'amende de 20 000 à 200 000 francs ou de l'une de ces deux peines. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, l'article 281 du même code, alinéa 1, prévoit un emprisonnement de 3 à 6 mois et une amende de 10 000 à 100 000 francs. Si le harcèlement est fait par une personne abusant de l'autorité qui lui est conférée sur la victime, donc, il est prévu un emprisonnement de 3 mois à 1 an et une amende de 20 000 à 200 000 francs. Quant au viol, c'est l'article 283 du Code pénale du Niger qui prévoit que si le viol a été commis par violence ou par contrainte, par menace ou surprise, l'auteur sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Si le viol a été commis sur un mineur de 13 ans, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 à 13 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau Donc de prime abord, on peut dire que la répression, souvent à ce niveau, il y a des lacunes. Parce que parfois, euh, l'acte reste impuni, il n'y a pas de dénonciation. La victime et la survivante, elle a peur de dénoncer l'auteur. Donc, euh, du coup, il peut y arriver des cas où il n'y a même pas de poursuite. Ou même quand il y a poursuite, c'est euh, l'arrangement à l'amiable, comme je le disais tout à l'heure, entre les deux parties. Donc, l'auteur, euh, il ne purge pas sa peine totalement, il est relaxé. Alors que dans le code pénal, voici ce qui a été prévu par rapport à ces types d'infractions mais dans l'application effective, c'est vraiment pas ça. Avez-vous des recommandations à formuler pour aboutir à une meilleure prise en charge des cas de violence basée sur le genre au Niger euh, Comme recommandation, il faut prévoir un chapitre spécifiquement pour les violences basées sur le genre dans le code pénal ou soit unifier un code essentiellement sur les violences basées sur le genre. Également multiplier les centres de prise en charge des victimes au Niger et miser aussi sur les campagnes de sensibilisation pour qu'elles soient massives euh, afin d'aboutir à une évolution des mentalités. Euh, allouer plus de budget au ministère de la Justice à travers l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire, car souvent euh, pour la prise en charge effective euh, en matière des frais afférents aux procédures, le budget alloué vraiment est insuffisant. Donc l'agence n'arrive pas à couvrir tous les besoins. Et en dehors de cela, certains survivants femmes, surtout du fait de leur précarité, n'ont pas le loisir de se payer régulièrement les frais de transport pour suivre eh, l'affaire au tribunal. Il y a aussi la non-exécution des jugements comme les dédommagements de la victime qui ne sont pas souvent euh, appliqués, si je peux le dire. Voilà, ce bel entretien a été réalisé par Hawa Ousmane, rendu au studio par Rabia Mekano. Avant la rubrique hebdo, marquons une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Samira Rouafi et moi-même Rabia Meikano. Passons à la rubrique santé qui nous amène à Tawa où le responsable du centre hospitalier régional met en garde des agents sur certains de leurs actions qui nuisent à la bonne marche de la structure sanitaire. Il est au micro d'Idrissa Adam. lalle mun hitar da takarda ta takashe bisa ga jami'an likitoci na nan eh, babban likita ta tawa bisa kai ga zancen program-program na hoshi wanda ake na operation da wasu consultation na likitoci kwararri haka wanda sai a rika tura su kama likita mai zaman kanta bayan sun shigo nan ofital wani bi ma har bilan har komi da komi sai a ce a'a ka tayo likita kaza can za a maka aiki to shine wannan muka ce ba mu yarda da shi ba kuma za mu ɗauka matakai kwarari bisa duk wanda ya sake irin wannan hali tunda kuma radiyo mun ji ana haɗi duka sati relaye da radio ana ta zancen kenan ƙara a ɗauki mataki bisa wannan abu wanda ke ɓata ma likita suna yaya aka kuka ban kaɗo irin wannan aika-aika to wannan daga consta ne an yi consta kuma akwai ka da yawa wanda aka gani haka nan ga wanda ana haɗi ga rado duka wannan kaga ta nan ta wannan hanyar ce muka gani kuma muna an anke cikin mummun mun gani ta nan wannan hanyar dai muka gani wanga aika-aika wanda ake yi bai kamata ba nan malati maimakon a ji tausan shi sai a ƙara sa mai wani defansu na banza da wayi kama ina ne abin ya kamari a nakuzatu to inda ya kamari wajen haraka hoshi ne ka san shi hoshi maimakon ka zo ka yi sati guda ko kwana uku a maka aiki sai ka ga wani bi an ɗauki lokaci to shi wannan ɗaukar lokacin da ake yi ba tsarin likita wani tsarin likita akwai program na sati-sati da ake hiddowa yanayin baka samu wanga sati-sati ne zuwa kana samu to sai ya zamanto wasu sai a ta ja musu rai a ta bata lokaci don dai a kai su waccan likita mai zaman kanta wanda ake so a kai su bayan su wayannan jami'an da ake nan ga jan kunnuwan nasu yadda likitoci masu zaman kansu su ma kansu abin labari zai kai gare su na can su yi hatar to likita mai zaman kanta likitoci ne wanda su su ma suna kawo wasu cikin system da sante ba matsala ba ne tunda an ce dan malati yana da durwa ya je likita duk inda yake so amma mu abin da ba musu ya zaman to ka shigo hospital kuma an yi aiki da kayan hospital an maka examen examen kuma a doke ka wasu har cikin adaidaita ake ɗauka su kai su wata likita can a musu aiki kaga wannan shine bai kamata bayan sun zo za su iske jami'in da sun ka gani nan a can lalle yawanci duka yawancin kakin sai ka ga likitan da ka tarro ne yamma consultation shi za ka tarro can shi ka wannan ba dai daidai ban doka kasa ta hana wannan yan aiki kake kai aikin ka na gwamnati in ka zaɓi ka yi aiki na zaman kanka wannan ka te ka zaman kanka mai baka zuwa kana likita nan kana can bai kamata ba in ma kana can ne yarkin aikin ka bai kamata a ce kana itilizan su kana zuwa can wurin ba amma in lokacin hutun kana cin ka in lokacin hutun ka ne wannan kana tafiya kai abin ka sai ya zamanto deja kana cikin personal na wancan likita kadarci kama bayan gabatar da wannan wasiƙa wayanda ba su ɗauke ta da muhimmanci ba kuma suka ci gaba da aiwatar da haka menene ke mataki na gaba to wannan kuma dai mun ce kashe da ne kenan wanda bai aiki da ba ta wannan sai ya kuka da kanshi sa'ad da bulala za ta bugun shi akwai doka kuma mun sa matakan kwarari wanda za a su diba akwai gestionar nace da surveillance general akwai surveillance militar duk suna diba wannan abubuwa ana control periodic kuma ana control surpassion kamar dan malati da kanshi muna tambayar shi kaka ina ka je ina an ka an maka aiki aiki kaka za mu yi wannan control control ta wannan hanyar za mu in wanda ya lahi wannan doka za ta bugun shi insha Allah kira na na karshe bisa yan malati ne da masu rake su ta likita tana da ka'idodi kuma kun ga likitan nan kowa ke zuwa ta region ce kenan kamata ya kai tara inda ake amsa kuɗi wuri guda ne can bakin attagan nan bai kamata wani ya zo nan cikin likita bai ce a'a kawo takardunka a maka kaza a maka kaza a maka kaza bai kamata ba inda an ka ce ka ta canza ka ta iyaka ka biya kuɗin ka aiki aiki kaɗai za a maka ya kamata ba a bi su a ce ko ka tai likita ka za kai kuma ka yarda ba hazar ba ne ya sa ka zo nan sauki ne ya sa ka zo nan kuma da tausayi a ga tausan ka amma aiki nan da nan ka ta haka insha Allah mu bisa wannan aiki mun mun rage wannan lokacin jira hakan ga kuma ku an malati da akwamfayan ya kamata ku yi hatara da mutanen da kuke hudu da ka ku je ku gamu da lalan mutane ba mu ce ba likita kwararri ba su yin hakan amma dai yawancin su benevolent masu zuwa su na wannan aika-aika an ka kama ka yan kore wannan korar ka na za a yi daga cikin likita sai a yi notifiye gendarme a kore ka daga cikin likita ko kuma lahin naka ya kai doka ta bige ka sosai za ta bugun ka sosai insha Allah. Une interview réalisée par Idrissa depuis Tawa, direction Maradi en musique. Mais allons plus loin dans le temps pour écouter Wanka Mberji de Sous le Concours. kasuwa ke yawo in gale ta mai nawa na shanu. Allah ya biya ka ka kyauta ta kai na. Na gode da alheri uban lawali. Sule ya gode da alheri uban lawali. Baban abu waɗai yaro ka kai na. நசாரை super rythmée. Feu Solokonko était un grand artiste connu pour son talent en chant. Il chante avec des métaphores, ce qui peut être dit ouvertement par Puller, ce qui ne peut pas être dit ouvertement par Puller. Les mélomanes sourient toujours après avoir compris les paroles. Ils chantent l'amour, la femme, la vie et ne mâche pas ses mots sur ce qu'ils pensent. Il le dit tout haut et clairement.

la chanson de Sulokonko Wankan Enribji. Vous êtes de passage ou résident à Tawa. Vous suivez l'émission Le Niger sur Kalongu sur nos radios partenaires à Takalkara de Bouza ou Saronia Madawa. Merci à la grande famille de nos radios partenaires et c'est à Tawa que nous partons pour l'écho des régions, plus précisément dans le département de Birnigoni qui est confronté au problème de la consommation de stupéfiants par les élèves, notamment dans certaines écoles. Cette situation impacte le niveau et ralentit leur évolution. Assoumana Moussa Arzika pour le reportage. domin waye ma ɗalibai kai ne na birnin kwanni a kan yaƙi da shan miyagun kwayoyi a cikin makarancin ne shine ya sa magabata ɗalibai shugabannin makarancin ne jami'an tsaro har ma da ƙungiyoyi suka gudanar da wani taro mataimakin magajin garin birnin kwanni ya halarci wannan taron kuma ya yaba ma wannan husa'ar ga mataimakin magajin garin birnin kwanni abdul nasir abdullahi kun ji irin bayanan da suka yi da dokoki waɗanda ƙasa ta da kan abin da ya shahi safara da sai suwa da kuma sha na su waɗannan miyagun ƙwayoyi kuma kun ga akwai jami'i na kiwon lahiya shi ma ya waye waɗannan ɗalibai kai musamman kan haɗarin shan waɗannan ƙwayoyi ga lahiyar su ɗaliban da kuma irin cikas ɗin da suke iya samun ƙwaƙwa kwakwalwarsu da kuma lahiyar jikinsu baki dai to alhamdulillahi ɗaliban sun gamsu kuma sun fahimci cewa irin haɗarin da ke da kwai tare da shan waɗannan miyagun ƙwayoyi musamman abin da ya shahi lahiyar kwakwalwarsu da kuma lahiyar jikinsu kuma mun sanar da su da cewa su zama ambasadodi wajen 'yan uwan nasu ɗalibai waɗanda ba su samu suka halarta ba wajen wannan taruwa na waye kai da aka yi musu kenan idan sun koma a cikin makarancin nan su su yi kokari su isar da wannan sako wajen abokanin su Allah ya taimake mu kawo karshen ta a nashi bangare daraktan ilimi na jiha ya nuna farin cikin sa a kan wannan haduwar kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a cikin makarancin ne a cewarsa wannan taron ya zo daidai lokacin da suke buƙatarsa ga yawo abdu daraktan ilimi na jiha shaye-shaye cikin makarantun ne abu ne wanda muna kokowa bisan shi matsala ta wadda ta sha muna kai inda ta kai ma har muna nema duk wanda ya iya zaka taimake mu muna cikin wannan ne sai su sun ka zaka kamar da sama sun ka kawo nasu taimako ce lalle kam muga ga nan bangare sun so samu na inda gai muna kaikai wannan matsala ta shaye-shaye na 'yan makaranta cikin makarantun ne lahi wannan abu shi na ta kamari tunda sai ya kai in ka diba can da tunda an ka taso daga zaman na makwabta da nan Najeriya sai zamanto duka birni da kawai na nan na cikin departama ita har ka kwaya ko da yaushe an san akwai ta can da lumayan mutane da latijin ne da tsohi su daina an ka sani gare ta yanzu sai abin ya lalace sai ya kai ga 'yan makaranta na wa'anda aka dibi suna matasan gobe suna manyan gobe suna wannan lamari ya shafa don ku aka lalatawa tun ba su ba inda za su zama wani abu muna so wadda sun kai nan duka wanda ya iya ya zaka shi kawo nashi taimako a yi irin wannan taro a yi shi fiye da wuri guda nan kamar ɗakin shawara cikin makarantun ne da cikin ƙauyoyuka. Ɗaliban da suka halarci wannan taron sun yaba sosai da wannan haɗuwar. Dama muna jiran wannan rana ta zo mushanni da mukan kanmu ɗaliban muna jin iskan wiwi shina tashi shina hirin yiwa cikin kalasu son muna jin iskan musanni suna tashin hankali bisa kan wannan abu bai da kyau a bari amma kuma yaran kwasu bari sai gashi wannan taron taron ya haɗa ɗalibai an karantar da su illar shaye-shaye a cikin makarantu gaskiya mun yi farin ciki da wannan abu gaskiya muna fatan kuma ɗaliban su ma su yi amfani da abin da ake gaya musu ga farmasiya da aka ba mai farin ciki da ita mun shi dan dole dole ya kamata mu gaya ma abokan mu maza yan matasa a rage shaye-shaye a bar wasa wasan nan dan shaye-shaye shi na illatawa sosai da sosai mutane jama'a sun sani to kuma kanmu ya waye da illar tawa shaye shaye nan kowa da kowa yanzu ya gano shasha na bai da amfani cikin ikwal ko bai da amfani cikin gari kuma wanga horo wanda muka samu za mu amfani da shi mu za mu ta mu ƙara fahimta shi su mu kwaye musu kai ɗalibin da kuma gaske shasha bai ya tsaya da kai ne shi tsaya shi ɗauki leson ko shi ɗauki wani abu ma shi yi gardan shi kuma shi na ɓata ƙwarƙwallon mutum. mahalata wannan taron domin ci gaban ɗalibai sun yi nazarin cewa samun irin wannan makamancin taron shine zai sa a samu ilimi ingantacce a cikin makarancin ne. C'était là un reportage réalisé par Asuman Moussa Arzika de Putawa. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé de 40 minutes. Si vous venez de nous prendre en cours, pas d'inquiétude, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiocalango.org ou sur notre page Facebook du Studio Kalangu. C'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Hasumi Gourouza est dans la place. Bonjour, bonjour Hassoumi. Bonjour Sami. bonjour Rabi. Alors Hassoumi, un tournoi interclasse de football s'est déroulé à Torodi la semaine dernière. Oui, effectivement, c'est mis 32 classes du secondaire allant des 4e aux classes de terminale on prépare à ce rendez-vous euh, de donner et de recevoir entre les scolaires à l'issue de la finale. Ce sont les lycéens qui ont remporté le trophée par l'épreuve de tir au Le tournoi a pris fin sur une note de satisfaction devant le préfet du département du Torodi. Suivant les explications de Dodo Aruna, le secrétaire général du collège euh, d'enseignement secondaire CS euh, de Torodi, au micro de Boubacar Seni. Notre objectif, cette organisation, c'est d'avoir des rapprochements entre les élèves, une entente entre les élèves et la cohésion. La finale a été euh, faite par euh, les lycéens et les collégiens, en particulier les 4e et le terminal. Et c'est au Le premier a eu pris comme 30 000. Le deuxième a eu 20 000. Le meilleur buteur, il avait eu 2 000 avec sac, avec des cahiers Effectivement, euh, Samy, c'est la terminale qui a remporté la première place devant les collégiens. nous allons parler à présent du tournoi de Sambo qui s'est déroulé ce week-end. Oui, Rabi, en effet, c'est un tournoi organisé par l'association sportive burkinabé du Sambo en collaboration avec euh, l'association Africa Initiative. 27 pratiquants ont participé à cette euh, première édition, dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Objectif de cette rencontre, consolider les liens de fraternité et de solidarité des peuples burkinabés, maliens et nigériens, selon le président de l'association africaine Azaon euh, Suleiman Aou. Le tournoi a mis aux prises des athlètes hommes et dames de moins de 58 kg, moins de 104 kg, moins de 111 kg, moins de 198 kg. À l'issue de cette compétition au classement général, le Niger est premier suivi du Burkina Faso et la troisième place a été occupée par le Mali. Dans la catégorie de moins de 98 kilos, kg, c'est le Burkina Faso qui a remporté la première place. Gouza, on a compris les classements et les vainqueurs, mais c'est quoi le sambo pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline Ah oui, euh, Samy, c'est une belle question. Le sambo est un art martial, un sport de combat qui a vu le jour dans les années 30 en Union soviétique, c'est-à-dire l'actuelle Russie. Il y a on y trouve euh, des techniques euh, et des prises de lutte, de judo, de karaté, de boxe, entre autres. Et c'est un sport qui est, pratiqué un peu partout dans le monde. Voilà pour le sport, euh, Rabi. Merci bien, Gourouza. Alors, euh, à très bientôt. Découvrons à présent la star de notre portrait d'aujourd'hui, Samira. Aujourd'hui, nous faisons la lumière sur Abdoulaye Youssoufa Meiga, un menuisier non-voyant. Malgré son handicap, il pratique son activité car, selon lui, être handicapé n'est pas une fatalité. Omo est allé à sa rencontre. ayo borno kam moje shinda bani amma wodin kul shayman koy ne bor foshe ayno wala taishe wal tayshe aini go don don ay wana 2003 ay te 2010 ngano kubayo naydi dangay moje coupe gaba dai dolo kan sey ne golcom ay te larbay do ay te hôpital ay te nan kul ay man du safaro dorino kan kaji dorino a da operation manti dori no ga safar nga binde kay yegay le kalo kanandi koyne ay continue ay go koyne sanda kan ay go di go ra dai ci hina jange dai gonda hina Kan ga tega expose aiginen ce go sinna sandai kul zam goyo din kai ga adile da borani ga avanso kul mantini ko ga avanso wano avanso shi shigoro wato kan kannin nai se aigi zuruno kala kata ko dai ko kata ko adarance dai man ko moy gi ce komi dai gonda cer mero da bala fon koi da tishu ko dai gonda cer mero din noro ga wasa kan ga hinga wo jinai kul dai wallahi jinai kul ne ga dai kagi jisi irmu goyi dir goyi apre hino wo kan chindi nga no taiwana ya chine kuba wora mun tibor kunno ga nanai gihin gaino marshe alors que marshe kulki gihin ga mo koyno wallahi din nay a ai sina sai saga gomni foyan noni do goyo wora gomni kul bisa ni gini bon wandi ni gini bon hangandi ay hiji ay gondai wonday gondai izai ay go de buruwe ay go gay famiyo jari ay mo bore ngwandi kidde go goy irin continue gote wallahi da mai school kala kala gaga bollondi gaga ga kubai asijan dai no goy kaga hingate to bor yan goni cecini gogate ken igogi dirga barkar moy zai bani janga asin ganji dinnin lakkalo kanandi ni te ni ya dai kan irko hinna shenim shi barkar irko gin gak shinai kan matkul kan no du method fo kan gite kan a gin ganji barkar ya Abdoulaye Youssoufa Meiga, un modèle de résilience dont le portrait est signé Oumu Oumarou. Faisons un dernier tour en musique avec le titre Sherina de Aïchatou Ali Soumeila, appelé Aïchatou Dangwali. et titre Sherina de Aishatou Ali Soumeila, Aishatou Dankwali et Hadiz Gabon que nous accueillons une de nos rubriques chérie. C'est le loti. Et ça parle de quoi aujourd'hui, Sami Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder dans le loti, c'est à propos de ces femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes ou chez leurs voisines pour des raisons ou tout autre. Mais cela pourrait avoir des conséquences sur leur vie. Écoutons ces discussions entre Fanta Shamsou et Samira Rouafi. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ka, ba dai ta ta sake yi ba ita wagga yarinya. Ah. Waye can wai gani nan kusa. Ka karkice babu hanni. Ya nan. Ah, ya yi rakiya. Ku ne yanzu cikin ranar nan kuma da wannan iska. Eh ni in ce, wai ke Halima in tambaye ki. Ke ba za ki iya zama cikin ɗakin ki ba. wannan ne karo na uku da nake zauwa gidanki amma kullum baki nan haba yaya ban yi nisa ba wannan da nake kusa gidan makwabciyata ke baki da gida ne ko kuma hin gida ta yi ita kullum tana gidanta amma ke kullum kina gidanta to nan ga wallahi kadaici nake ji sai ina zuwa gidanta don in ga lokaci yayi saurin hucewa ke halima wallahi ki zamna kurum wanga hali ba takala ce ba kadaici to ina ta yi ki sai da take yi a'a wallahi akwai ta to don me za zaki barin gidanki hakan ga ki kama hanya ki ta gidan wata ki wanga ko a addinance babu kyawu ba a hana kyakkyawar hulɗa tsakanin makwabta ba wani gaisuwar ina wuni ina kwana ke ha abota kwarai takan iya kulluwa tsakanin makwabta amma ke abin da kike yayi yawa ne ita makwabciyar nan taki ban taɓa ganin ta nan gidanki ba amma ke kullum kina gidanta abin yayi yawa kin mamaye mata rayuwa mm. yaya ni ho ban taɓa matsa mata ba saboda fa tsaki shi ko mijinta ya zo ha in ya zo da ranar cin abinci ɗaki suke shiga ni sai in zauna wa falo ban shiga ban bin ban bin su cikin ɗaki. subhanallahi halima mi wai ke yarinya ga lahiya kiko wato ko mijin nata ya dawo ba za ki tattaro ina ki ina ki dawo ɗakin a a zama tsaki ma wai su su shiga ƙurya ke kina a ke kun kunya ba ki ji ke ce ƙohorwa na ke ce ƙohorwance wannan shi zai bata miki suna kun mun san juna haka ne ake fara wani kananan tsegumi wane ya ce wance ta ce ki kwaso ma kanki zunubi banza banza haba yaya ba mu hoyin wani abun asha kawai na ce miki kadaici nake jin ina a gida kun miji na bai zawa da rana sai da dare yake zuwa sai ma dare ya gaba kenan ina zuwa gidanta ne mu ini ina dan taya ta aiki kuma in ta yi girki sai mu ci tare wato dan miki abinci ma take a yarin yaga ke zaki kashe ni ke ba zaki zamna gidanki ki girka kam kowace mace kwarai ba to kin san da yake kadaici ne matsalar taki bari in zauna har mijin naki ya zo da kai na zan ce mishi ya dirka miki kishiya wadda za ta zo kin ga wancan dakin za a share a bata ke da kadaici kuma shikenan ya gakiya wayo ina nufin yaya yaya ku bar min waga fata dan Allah dan annabi daga yau shikenan ba zan ƙara zuwa can ba insha na yi alkawari a in ma kin gyara ai dan kanki ne tunda ni na tabbata wagga makwabciyar taki in an tambaye ta abin da ke cikin kwalwarta in ta hode shi akan ki sai ke kama kanki dan ki mamaye mata rayuwa wallahi yaya sauraron gana ku da nake yi wallahi naga kuna da gaskiya abun nawa ya huce gona da iri amma insha Allahu wan gazancen da ne daga yanzu zan zamna bakin kofar ɗaki na kuma in Allah ya yarda zan ta in neme ta gahora saboda matsatsin da na yi ta mata to ko kefa idan kunna ya ji dai an ce jiki ya tsira ni kin ga kamin ma kishirwa nake ji to yanzu yanzu haba ko kefa amma a ce kullum kina kohorwa na kohor wance sai ka ce ke baki da ɗaki gida shirman duniya da irin wagan takala. C'est là le loti des femmes du studio Kalangu. L'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, c'est avec Asumane Shina du Desk Hausa que nous allons découvrir le mot ONG. Bonjour Shina. Bonjour euh, Rabi, bonjour euh, Samira. Ina fatan kun tashi kun koshi lafiya. Lafiya lau. Da ku masu sauraro. Alhamdulillah. To yau wannan shiri mai bada ma'anar kalmomi wato ya mai da hankali ne akan kalmar da ONG. kalma ce dai wadda muke yawan shi amma ba kowa ya san abin da take nufi ba da hausa dai ong na nufin kungiyar da ba ta gwamnati ba wato kungiya mai zaman kanta da faransanci idan za a bude wannan kalma ta ong za a ce organisation non gouvernemental wato wannan ma'anar ce aka takaita aka kira ta ong a sauƙaƙe to ne kungiya mai zaman kanta idan ana maganar ong gamayya ce ta gungunan mutane farar hula da suka amince su haɗe wuri ɗaya su yi tafiya ɗaya don gudanar da ayyuka na ci gaban jama'a a nijar akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa kamar msf ko da sansan frontier wato ƙungiyar likitoci ce da ke aiki ƙasa da ƙasa kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida waɗanda 'yan nijar ne suka ƙirƙira su kuma ayyukansu cikin nijar ne kawai suke tsayawa burin waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ba neman kuɗi ba ne ayyuka ne suke yi don amfanin jama'a da dama daga cikinsu suna aiki ne a fannin jin kai wato ƙungiyoyin agaji ne suna agazawa idan wasu bala'o'i suka faru misali ambaliyar ruwa sannan da yaƙi da kuma annobar cututtuka akwai kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a tsawon lokaci a fannin ci gaba kamar na ilimi kiwon lahiya da kuma 'yancin ɗan adam da dai sauransu to anan zamu takaita wannan ma'ana ta kalmar ONG da Hausa wadda ake kira Faransanci ana ce musu wato kungiyoyi masu zaman kansu to shina mun gode sai kuma kwana biyu Allah ya yarda Allah ya yarda Allah ya kai mu Allah nuna muna Voilà, chers auditeurs, vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays. Écoutons quelques-unes de vos réactions. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. assalamu alaikum studio kalangu no lawali abdullahi kan go tombo balle ayi ma ci kalaran hangan ko beri zama aran wani bon fere kan yan aran gogate al umma se engano gay farhandi wat kul wani wana furta jay da way boray da ngay kiti yi wani bon fere kan garan go gabandi din kiti dalilo kan na wat kulu ay siya daran labari ma bisai ga ay garan labari hangan ba dai sinan kan ay hinga duwano dai ka ay ga nimo dai nanu ga hangan kan aran da ke rezo social bo ase watu kulu aiga kulu jandara raja irkoy maran no jin koyan dai no indi zibbo president yin yoko kitamu raja kasigine istiyo kalangu asigirai agoga an sakani se gum gum gum zambon ferai no irgo ka duwara wani wani wai borai zai lokolo bon da wai borai zai e gayi yangai da wai borai zai tarbiyya yangai bon zamaran bai no kati wai borai zai yangai ka tel borai zai yangai o kan gohan sakani se dai kan da wai borai zai kyawo do hara ha yangai din ki bo so bai ga borai da bon fera la yo din dirgo ruwatu kulim tontoni saga zamaran bai zamani wane wa kalcar ga ga sinai yan to ruwo di sanda ga ga ya sinai na ngoge borai dai nan kai tarbiya yan ai dimbo wanda bo fonga kul bo ko ga dan ya dinga yi kala kalangu yi fonda bo yi fonda ko karo wallahi jira akan dirwo sai bom fere ka tonton nan kai ga yan wado hara nan kai tarbiye yan ilo kol chawodo ko yan ibon ha yan ai din kai go te di ruwa an suka maka ni no mi wo go fongo wai borai zai dinga yan ai gano assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala mani gahulle malla ayda wal muhammad al bakra abdullahi salam wada to gane radio show to wada kastil studio kalango mborana tuma ya qa wabje katinda tagdala wabje studio kalango kana ko ga afsus masu hullen amma hawo bar hullen agaraza su hullen di falasirin boranda bara irin borne so al hawo ibda dunya kan da hawo baraha gandanin kul hakbda kan kul irfsa samaysa hullan studio kalangwana radio kan irfsa samaysa kaltama ja qabjay kata kan hawabda kul irfsa samasa hawabda hadan kanan kul irfsa samasa mera afsa silmana amboran funan bara abala akhshan kan bi afsa silmana gullan inka inki bar kul afsa silmana gabbesa mera da irfsa samasa biha ka shi kullu aya ya afsa sama afsa silmana gullan awana bara bala ndawana afsa samirsa hullan Studio radio collapse, Chers auditeurs, c'est ici que prend fin cette émission de ce mardi 27 février 2024. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et de moi-même, Samira Rafi. On se dit à 17h pour notre programme de 2 heures qui débutera avec la grande édition. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. bye. bye.